Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Aujourd'hui, la machine reçoit, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Mr. Mirado Mila ya ti ya ya ha rapto le zaku gani Ha Bani wasa chichi huili ndaga Niga Wandi ya wasa Ya sori ta gani na barina Duchi ya ta atare atare Sena pale kesu Pane de chirchi Ine bude bachin ya da birki doni Chimi chimi chimi Yeah Mirado dansa chichi Sur l'émission tous à la fada la machine et les humains ont envie, euh, n'est-ce pas, d'avoir un certain euh, nombre d'informations sur toi. Parlons de Mirador Dansarchi sur l'émission Tout ça Mirador dans eh, je me présente d'abord Abdoulaye Alagi Moussa Souley. Mhm. Et né le 26 euh, juillet 1992 à Zender. Ok. Donc. Euh, Zender, c'est la capitale du Damagaram, la vie des mille Zender est scotché certainement sur cette émission. Ben, Mais Zender, Mirador, tout a commencé à, Zender. Et nous étions en 1992, la date de naissance de l'artiste. Ok, Mirador. Zender, Aika Nyamai daga zandar ni kanya mai ai kanya mai okay ai di studio kunce studio kunce ai ko no dem euh, a resuré son tu te rappelles de l'année ouais année fono 2007 2007 non 2007 nika nous dit studio kunché. ai di studio kunce mo fenobino gajine fenobin bonai di face à face okay nas galsen gono da sul le pianiste woni irgo 2007 2007 teydata ok d'accord ay koyno din bon ayni ay bemte son ah. en groupe so may du les gars fo kenne singe ngem chanter ngem les gars fo les gars les gars hein. les gars fo yang ngem ok d'accord super donc euh, une groupe au créer. akakuru akakuru avec les deux gars donc akakuru borinza noa borinza a abdoulaye A. Ah, ah. aka abdul kader aka abdul karim aka ok ne fam ay fam yadna te da sun sintin da manga borgere manga ni gana bon borgere afago shin afago shin afago nyama te soge afago nyama te soge <laughs> soge a da duman totori da sanon dumun tagmi ko samgana na garrap akbar hay ah to ne fam to 2007 non à sintin 2007 il faut noir à sintin vous avez commencé par quoi son faux t'es étudiant ici quoi nous sommes nous font nous sommes ça parle de quoi des étudiants c'est l'état qui nous gère c'est l'État qui gouverne, c'est l'État qui mm-hmm. nous berce, uh-huh. mais c'est l'État qui nous gère, étudiants, étudiantes. Novembre. Ok, donc ça veut dire que nous, déjà, engagement, nous, on Sintinda. Oh, mais engagement. Ils ouvrent tout. C'était le premier single de Akaku. Maintenant, ah. on continue donc le processus sur l'émission tout à la Après, Akakuru, bon, quand les gars ont abandonné musique j'ai toi. continue. Après, il y a Chorfo. On a featuring quoi. Il c'est bon. Il c'est Mais non, Mohamedine a Mohamedine. Ouais. Ago raporation, Olmo Bindia, il a juste chanté pour les meufs. Ne pas faire un din,

Négé artiste c'est cool clashé eh, nous. Wodi fatta. Et wodi nous étions en quelle euh, en quelle année? Wodi 2016. 2016 non. Nous tourne ne bon OK, bons. nous sobe. Feno mbono nous Nous ko en 2007. Oh mais eh, ni ber Nous sommes kasine cadre. bagazam bagazam Divis kan oh, oh, oh. di ese mo kan di bons. nous sommes ngo Nous di nous nous no nous nous ko ngo ko Nous sommes flo contact na D'accord. <laughs> Super. Donc clash je vais quatre. Hein. Ne oh. to Il faut wo non Ah. Ne Ah donc beaucoup Oui, Mais il il c'est le deuxième anglora. Top. Ne Après son ay euh, du flow flow ne c'est bon petit il faut sonno ni banum tena si bon mais hmm. bon comme le grand frère et chorno donc c'est gingi ni di ma une session fou gratuitement mhm. ah non c'est ok to afro do bono na reçu 1914 oh ah, mais abel abel zamani bay wala mon ni je vous rappelle bien de ce message. On va parler de ça dans un instant sur cette émission. Ouais. Donc, bah, pour la mon na ah mon manachindi. Donc super. Alors, Mirado dans cette rap rap nous tu là. Rap nous Pourquoi tu as opté pour le rap? bon rappo hankan je ne fam matkina na sintinda matatin na sintinda oh faman da semira da dar west dar west dar west collection kan ninge collection foti hmm. agi di mat kan igi chardi da artiste ma sanga kan gas dinga banda gas maji oh akfor maid may igi chardi ini oh, chardi dar west connection dar west connection agi go concert amonto bam tete made made bora no motoran donc woni non rapport de nbinara ngano da ngai binara après ni sintin da clash clash maino nin inspiré maino nin da rap bakan ne da rap oh kan de kan ni buga go ni c'est FN aussi mais en fodé jivis jivis non wallahi jivis go an sare la wallahi te jivis jivis man c'est spécial la le to boboga parce que da ton to erga wo émission ora angle dura jivis jivis jivis non parce que kan ni be mo an rap ay ka kwara ni bon il faut que aro ai mo wana musique de ma quoi Et ko beri après dit qu'un musique de hmm. ma tabandi ai ne bonema clasher ah Babylone kashe Babylon mon peuple hum. Tous ces vents, tous ces sangs coulés Babylone l'une des dettes Mon continent il a déjà ruiné Babylone lâche mon peuple Tous ces vents, tous ces sangs coulés Babylone l'une des dettes mon continent, il a déjà ruiné. Ah, Divis, mention spéciale à toi. Hey, hein, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. On va parler de la situation, de comment est-ce que la musique ou le rap évolue. Nous, selon toi, nak gagné ni keso. Nous, bon, diyon nak gagné ni keso. Beskan. emission to yadda ka ci gani misali ya ce nan da zuwa ta yi oh, rapo oh, avant oh rapo oh, agogo ne grave ok avant no jirbiyante oh rapo dusungu a dusungu kai nufo me son oh ago yege jijirgutun agogo jijirgutun parce que son burakir dago charban nan bo oh irgo te album concert live no gerse bientôt mate do 16 fono kan Ah, ah. <laughs> Nous sommes à la fin de la première partie consacrée à la jeunesse nigérienne. Mr Mirador sur l'émission tout la Fada. L'instant est solennel. L'artiste va s'exprimer. 30 secondes d'expression. Mirador, on est allé. Un mot à l'endroit de la jeunesse, un mot à l'endroit de rappeurs, un mot à l'endroit, bien évidemment, de tout ce qui nous kiffe un peu partout à travers nos 46 radios, à travers nos 6 télévisions partenaires machino Nino, fondo ok bon et actuellement aigo deuxième album bo préparation Le premier album bo déjà une le 2 février bora kuldi a kanté nodin mjc jaad seku guichet fermé à 23h donc deuxième album bo aiga sintina aigo sol solara en même temps album gonu kan block bo a kan irgoti bora kulse imka imdi goye Kirgo solu Solara musico irgbaran Urgogati irgo gati irgo gati di bin musico mon di bin musico musico mesdames et messieurs ladies and gentlemen c'était l'artiste Mirador sur l'émission tout la Fada version franco Hausa Mirador humain Talk it hey